Alors, euh, tout d'abord, euh, nous remercions l'ensemble des directeurs d'écoles, que ce soit les écoles privées comme publiques. Donc, nous avons convié l'ensemble euh, des meilleurs élèves de la commune de grand pour leur remettre euh, des cadeaux, mais également euh, pour leur remettre des fournitures scolaires, pour vraiment récompenser l'excellence au niveau de la commune. Mais également, c'est dans la continuité de ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation. En tant que responsable politique de la commune, euh, nous sommes persuadés qu'en misant sur les élèves, nous pouvons avoir une commune meilleure. Et aujourd'hui, véritablement le projet que nous portons, euh, l'éducation est au cœur de tout ça. C'est pour cela que cette occasion pour nous euh, est de montrer aux populations de Grand que l'éducation sera vraiment une priorité dans les politiques que nous allons porter à partir euh, du 24 janvier 2022 lorsque les populations nous feront confiance. Aujourd'hui, on voit qu'il y certaines écoles qui ont besoin de l'informatique pour pouvoir dans le monde numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut attendre à ce que M. Jean mette euh, la main pour appuyer ces écoles-là en termes de matériel informatique Tout à fait. En tant que directeur de l'agence, j'ai déjà démarré euh, des activités d'accompagnement des établissements au niveau du Sénégal. Nous avons déployé presque 200 salles multimédia à travers le pays. Et dans la quasi-totalité des écoles de Grand Yoff, des écoles publiques, nous avons mis des salles eh, intelligentes pour permettre à nos élèves euh, de disposer d'enseignements de qualité grâce au numérique. Donc euh, ceci sera vraiment une continuité lorsque nous allons prendre la mairie pour vraiment renforcer ce dispositif au niveau des établissements et généraliser l'utilisation de numérique dans l'ensemble des établissements. Et notre volonté vraiment, c'est que euh, les élèves puissent s'habituer dès le passage à l'utilisation de l'informatique, à l'utilisation du numérique, pour vraiment permettre euh, de bâtir euh, des Sénégalais beaucoup plus performants pour devenir demain des médecins et des ingénieurs de qualité.

affaires de détournement, bon, clairement, le président de la République, qui est le patron de l'administration, a déjà euh, donc euh, convoqué les différents responsables. Et je pense que si ça nécessite des actions vis-à-vis de la justice, la justice fera son travail. Dans, ces actions que vous menez, euh, de quoi y voit une connotation politique Qu'est-ce que vous répondez alors, euh, c'est tout à fait normal dans le moment où nous sommes que les gens puissent corréler cela à nos actions politiques. Hein. Donc ça, on n'a pas de problème là-dessus. Mais c'est des actions que nous menons maintenant depuis presque une décennie. Donc euh, c'est assez récurrent. Donc euh, les établissements de Grand Yoff nous connaissent très bien. Nous avons fait beaucoup de manifestations avec les directeurs d'école, avec les élèves. Et je pense que c'est dans cette continuité-là que nous sommes. Mais maintenant, on ne peut pas empêcher ces commentaires dans cette période préélectorale et qui véritablement que les adversaires euh, puissent euh, dire tout simplement que nous faisons ces actions pour de la politique. Mais ces actions, nous les faisons parce que nous aimons Grand Yoff, nous aimons véritablement l'éducation et nous comptons sur l'éducation pour pouvoir améliorer vraiment la situation de notre commune. aussi agence bi ngay géré nak la ngir ñu mëna tagat xalé yi ci li nga xamanteni mom moy waaw d'abord tay mom bëssu fête la muy bëssu noël ñu ngi profito ndokolé vraiment suñu mbokk chrétien yi di leen souhaiter joyeux noël di wax eh, bëss bi tamit dañu ko jaglal xalé yi parce que ku wax eh, noël wax cadeau waaye xam nañu ne tey Grand Yoff euh, bëri na xale yoo xamante ne euh, mënuñu fête Noël mënuñu am cadeau moo tax ñu jagleel bi vraiment euh, xale yi jox leen ay cadeau mais permettre aussi ñu mën dans un cadre agréable boo xamante ne dinañ mën a épanouir ci journée donc Noël donc loolu moo tax ñu jagleel vraiment donc cette cette journée donc aux élèves de Grand Yoff mais également euh, agence de l'informatique de l'état bi dirigé. Euh, ah, dañu un programme pour les établissements xam dañ ko établissement école écoles au Sénégal Dans 200 établissements def nañu fa ay salle multimédia euh, te Grand Yoff sont en reste parce que dans école publique yi fi

Euh, jot nañu enseignement bu baax grâce au digital